Nous voulons que le président règle notre problème. Depuis trois ans, deux ans, nous avons des problèmes avec les, les amis voisins, comme Yof, Ngor. qui nous empêchent de travailler. Or que nous sommes des pêcheurs. Nous savons que la mer, sans la mer, on ne travaille pas. Et nous gérons des vies. Les habitants de Tchatchara sur mer, de Mou, et de Yof, ont la même famille. Donc le président doit prendre ses propres dispositions pour régler le problème. Donc on ne travaille pas, on est resté les croiser sans rien faire. C'est très difficile. On va travailler, on ne dit, mais on ne déshonore pas. On est prêt pour tous. Nous avons préparé. Cette année, on va travailler. Si on nous dit, on, va travailler. Si on ne dit pas, on va travailler. C'est pourquoi on interpelle l'État. On interpelle le président de la République, son ministre, Ali Aïda. pour qu'il prenne la propre responsabilité pour résoudre le problème, pour régler le problème. Sinon, le problème là, il peut avoir un commencement, mais pas un fin. On ne sait pas. Le problème c'est entre Yoff, Ngor, Wakam. On a entendu les pêcheurs de Soubodioun là, ils ont commencé à parler sur ça. Ils doivent venir régler le problème. Il interdit de pêcher au filet. Et nous, nous avons les filets de pêche. Nous avons, nous avons des filets de pêche. C'est ça que nous savons. Nous soutenons l'État à lu contre le chômage il doit nous aider. ay at a ngi nii nag ñu nuy yàqal ñuy muñ bii nag du ñu xaar dara ku ku paree man pare naa ku parewul pare naa pour dem yow moom Macky Sall lu mu ci man mu taxaw léegi barki Seydina Limamou bu ci waxul ñun jël nañ suñuy matuwaay ba pare.